de votre fidélité au programme du studio Kalangu, chers auditeurs et auditrices. Il vient d'être 11h et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, Rabia Mekano et je suis avec Samira Rouafi. Samira, comment vas-tu ce matin Je vais très bien, Rabi. Et toi Ça va super bien. Alors, tu as quoi pour nous ce matin Comme d'habitude, nous débutons cette édition avec le flash d'information et comme invité, nous recevons Dagba James Roland. Il est chef cuisinier dans une entreprise locale spécialisée dans la restauration événementielle. Avec lui, nous allons parler de ce business qui intéresse de plus en plus de jeunes. Dans ce numéro, nous aurons également dans la rubrique écho des régions qui nous amène à DIFA pour parler de la commercialisation du charbon et l'impact de sa production sur l'environnement. À musique, nous restons toujours à DIFA. Et là-bas, il y aura également euh, la rubrique hebdo consacrée à la justice, le loti préparé par l'équipe femme du studio Kalangu et notre page fort. L'édition est assurée par Adama Dawaki et la technique par Seni Isaka. Top, c'est On débute cette émission avec le flash d'information et ça sera avec Nafisa Adamou Sirfo. Bonjour Nafisa. Bonjour Nafisa. Bonjour Samira, bonjour Abi. Bonjour. chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangou et bienvenue dans ce flash d'information. Le Premier ministre Oumoudou Mahamadou se trouve depuis samedi 22 juillet à Rome en Italie. Il a participé hier à la conférence internationale sur le développement et la migration, une rencontre qui vise à lancer le processus Rome, une plateforme stratégique globale inclusive et pluriannuel pour une action collective, celle de s'attaquer aux causes profondes dans trois grands domaines, à savoir l'instabilité et les conflits régionaux, la violence terroriste et la radicalisation croissante. Le ministère de la Jeunesse et des Sports poursuit sa campagne de sensibilisation, d'éducation et d'information sur la lutte contre le dopage dans le sport. Selon le directeur de la médecine du sport au ministère de la Jeunesse et des Sports, il faut que les sportifs soient sensibilisés par rapport à ce fléau qui est en train de miner le sport qu'est le dopage en milieu sportif. Car selon lui, les produits que les sportifs prennent sont nuisibles à leur santé et ils les détruisent à petit feu sans qu'ils ne, ne, le sachent. Toutes les huit régions du Niger sont concernés par cette campagne. Enfin, la Banque mondiale accorde un prêt de 50 millions de dollars au Niger pour soutenir le projet de construction des internats pour jeunes filles. La décision a été approuvée par le conseil d'administration de l'institution tenue en juin dernier. Ce fonds servira à financer le projet de développement des infrastructures scolaires et de promotion de l'équité et de la qualité en milieu scolaire, notamment la construction de 50 internats pour jeunes filles. C'est la fin de ce flash. Merci, beaucoup, Nafissa, et à bientôt. Voilà, comme annoncé en début d'émission, nous euh, avons dans ce studio Monsieur Dagba James Roland. Il est euh, chef cuisinier dans une entreprise spécialisée dans la restauration événementielle. Nous allons parler du business de la restauration avec lui. Bonjour Monsieur Roland. Bonjour Madame. Voilà, merci euh, d'avoir répondu à notre invitation. Mais avant d'entamer cette discussion, nous allons pour notre première balade musicale et pour cela, nous allons faire une parfaite immersion dans la culture du manga. Écoutons cette composition de Degaji Chetimaganga. Digaji Shetima Ganga, un artiste flûtiste hors pair au Niger, il joue à l'algaïta, instrument euh, avant caractéristique de la culture manga, natif euh, de Mainsarwa dans la région de Difa. Il est le fils héritier de feu Shetima Ganga, célèbre joueur de l'algaïta. Dans la tradition manga, l'algaïta est un instrument de musique appartenant à la chefferie traditionnelle quoi qu'influencé par l'évolution du temps, l'algaïta reste et demeure un instrument de souveraineté pour les cours royales du manga. Celui qui joue de cet instrument occupe de ce fait une place prépondérante dans la structure organisationnelle de la chefferie. Âgé de 51 ans, Digaji Shetimaganga a commencé à jouer de l'algaïta depuis 1981 euh, aux côtés de son défunt père, décédé euh, en 1994. Jouer de l'algaïta est un art parce qu'il fait appel à une combinaison harmonieuse de la bouche, du souffle et des doigts. son, ce sont tellement spécial pour euh, le peuple du manga. On le dédie à tous ceux qui nous écoutent et qui ont dansé avec nous sur euh, le son de l'algaïta. Exactement, vu comment tu étais très excitée. <laughs> On sait que tu viens de là-bas, c'est super. <laughs> Ah oui, c'est quelque chose, hein, l'algaïta. C'est le moment pour nous, Rabbi, euh, Rabi, de retrouver notre invité du jour, euh, Dagba James Roland, chef cuisinier, comme nous l'avons dit tantôt. J'espère que vous avez aimé ce son. Je ne sais pas si vous avez compris. Je n'ai pas compris, mais j'ai aimé quand même. Ah ouais Super Alors, dites-nous, comment se porte le monde de la gastronomie locale mais avant de répondre à cette question, vous pouvez nous présenter euh, votre entreprise brièvement ou Oui, c'est -ce que vous faites une entreprise, mais pleine mhm. d'expérience, qui s'occupe des événementiels aussi, nous livrons des pauses café, des pauses déjeuner, euh, des dîners, des dîners de gala. Et voilà, qui s'appelle ISAM entre, Entreprise. Ok. Et vous employez euh, beaucoup de jeunes euh, Oui, il a des jeunes, pendant les, cuis les cuisiniers, les serveurs. On n'a pas aussi des jeunes extra quand le travail est. Bon, quand vous avez plusieurs endroits de faire de, vous avez besoin de faire la prestation, vous êtes obligé de prendre des extras en plus. Ok, ok. Alors Alors, euh, euh, dites-moi, hmm, on entend souvent euh, dire que le business de la nourriture est super rentable. Est-ce que c'est vrai ici au Niger Oui, la gastronomie est rentable. Vous savez, surtout que vous vous mettez sur l'accent sur le local. Vous savez, les ingrédients sont très moins chers quand vous, allez sur le local. Mais quand le client veut quelque chose européen, c'est là où ça devient un peu plus cher. Mais la gastronomie, c'est très rentable parce que c'est le fait de transformer un aliment. Prenons exemple le riz On a presque tous les ingrédients sur le marché qui sont rentables on ne peut pas, on ne peut pas aller dans le d'aller chercher des trucs euh, importés. Ouais, aller jusqu'au Sénégal euh, alors qu'on a euh, tout ici on a tout ici, vous, hmm. Voilà, donc c'est rentable. Mais ça dépend aussi de la, du menu du, du client. Ok. Oui. Ça dépend du, du, menu du, du proposé. Contenu, du proposé, ah, du contenu du menu. À la clientèle. Oui. Bah, donc on va se demander ici au Niger comment se porte... Euh, cet univers de la gastronomie comment ça, va c'est plutôt quelque chose qui est c'est un domaine qui est en plein développement absolument mais, pas partout en Afrique c'est un domaine qui est en plein euh, sur en évolution parce que on doit manger ouais. on doit et bien manger donc quand il s'agit de faire du bien manger vous êtes obligé d'appeler euh, quelqu'un qui connaît le métier il y a les mariages, il y a les baptêmes, il y a les dîners de gala, il y a les pauses café. Donc, Surtout quand il y a des séminaires qui sont là, c'est très rentable. Au Niger, c'est un métier qui est en évolution. Je, même je demande aux jeunes d'aller dans ce métier. Ah oui, justement, nous avons de plus en plus de jeunes qui, euh, qui s'intéressent à cette activité. Qu'est-ce qui le rend aussi attrayant Oui, vous savez, il y a dans gastronomie, beaucoup de choses. Dans le secteur, le secteur cuisine, le secteur du service. Le service aussi, un service, c'est de l'art. Comment faire la table et comment servir le client, comment débarrasser le client. Donc, en matière de cuisine d'abord, en matière de service et en matière de pâtisserie, tout ça là, c'est c'est toute un, une maillon de chaîne. Ok. Donc, les jeunes doivent s'intéresser parce que il a toujours des séminaires, il a toujours la main, c'est-à-dire les clients qui ont besoin de, du professionnel. Donc, je préfère que c'est un secteur qui est très chose là, en évolution. Ok. Alors, avant de poursuivre cet échange, cet échange plutôt, faisant un, petit tour à Zender pour notre deuxième pause musicale pour le plaisir de nos auditeurs avec le titre Matin malin de Feu à la 1951, l'artiste hors-père El Hashtaya est l'un des précurseurs de la musique moderne nigérienne. Enseignant de formation à l'école normale de Zender, il piqua dans les années 70 le virus de la musique, où les moyens de bord ou avec les moyens de bord, il s'adonnait à l'animation culturelle avec ses amis, notamment Maman Sani Abdoulaye, pianiste, Omar Hadari, Ibrahim Yolo, dit Majid. La génération musicale s'agrandit avec Maman Garba, et Ali Jibou. Exactement, euh, plus tard euh, sous la roulette du grand-père, euh, du grand-frère plutôt de Taya, Kazelma, l'orchestre Naki, l'orchestre Les Ambassadeurs du Sahel, qui sera ensuite divisé et recomposé par l'orchestre Carnaval, caravane plutôt dirigée par Ali Jebo. Quant à Taya, il forma l'international de la capitale. C'est avec cet orchestre qu'il gagna le premier prix de la première édition du prix d'Angourmont. Les mélomanes s'en souviendront, euh, surtout de cette chanson que nous sommes en train d'écouter, Matamal. Il décide le 23 août 1980. Il décède le 23 août 1988 à Niamey et c'est à juste titre que le gouvernement du Niger a baptisé en 1989 le Centre de formation et de promotion musicale CFPM Al-Hajj Taya. était aussi le premier président de l'Association nationale des auteurs, compositeurs et interprètes de la musique moderne, Anassim. après cette petite pause musicale avec le son Matamalan de feu al on revient avec notre invité. On va vous bombarder de petites questions sur la cuisine. <laughs> Ah Alors d'abord, dites-moi, ça fait euh, combien d'années que vous êtes ici au Niger euh, Pratiquement 4 ans. 4 ans, ah, ça fait un petit bout de chemin. Alors, selon vous, quels sont les plats locaux qu'on devrait davantage valoriser et comment Les plats locaux du Niger, absolument. vous avez le meilleur repas qui s'appelle Dambou. Ah qui, est, qui est super bien. C'est un must. Absolument. Et c'est ici que j'ai vu le copto transformer la, feuille avec euh, la, pâte d'arachide. C'est très bon. Souvent que je vois que les gens mettent ça dans les pauses café. C'est exactement bien. J'ai aimé aussi le foku qui, qui donne un plat particulier à Niger. Ce sont des repas qu'il faut valoriser et permettre aux étrangers, quand ils arrivent, de goûter les galettes que vous faites absolument massa. <laughs> c'est très bien. Que je me même que ça dans les pauses café, que de faire sortir les croissants, les pâtisseries et autres. Ben oui, nous ah avons des beignets et des galettes, c'est vrai, ah d'ici, sont super, super. bien. Voilà. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui est le plus demandé ici par rapport à ces dernières années Parce qu'il y a des pauses café, il y a des séminaires et tout. Avant, nous voyons qu'on demandait à des dames, par exemple, qui cuisinent très bien, de le faire à la maison, mais il y a certains qui n'aiment pas. Donc, est-ce que maintenant la demande est trop Oui, la demande est trop. Et je vois maintenant que les dames, c'est lors des mariages qu'on les invite. Mais maintenant, concernant les, séminaires, on peut faire près les, professionnels. Parce que quand on parle du séminaire, c'est d'autres pays qui reviennent. Donc, pour satisfaire tout le monde, il va falloir qu'on mette un peu de tout mhm. pour satisfaire mhm. tout, le, tout, le monde. Vous voyez mhm. Donc, euh, en matière de la cuisine, euh, je vois que les dames le font très bien aussi parce que tout d'abord, la, toute femme sait préparer. Absolument. <laughs> Oh, c'est une valeur pour la femme africaine de savoir préparer. Mais c'est vrai que quand tu apprends, il y a des petits touches qu'il faut, faut, apporter. Mhm. <laughs> voilà. Alors, est-ce que vous avez un dernier conseil à donner aux jeunes qui veulent se lancer dans ce monde de la gastronomie, surtout locale hein? Oui, mais faut pas, il faut faire les deux. Les européenne et locale, ah, ah d'accord. Alors ah allons-y. oui. <laughs> pour les jeunes, la conseil d'aller en formation d'abord, de suivre cette formation en cuisine et d'acheter le peu de leur pays. Parce que c'est quand vous transformez le peu avec ce que vous avez apporté de, de l'autre côté, ça donne quelque chose de très extraordinaire. Mm. Il faut d'abord aller à la formation parce que la cuisine est très vaste très tellement vaste. Et tu, il a une, mille manière d'amener, de faire le chef. Mille manières. Donc, c'est à vous, quand vous allez à la formation, d'aller de stage en stage pour avoir beaucoup plus d'expérience. Ouais. Oui. La cuisine, c'est plutôt quelque chose qui ne pardonne pas. C'est euh, c'est quelque chose de dosage, il faut aller avec les bons produits, tout ça, il faut savoir. Oui, tout la formation. Ouais il faut, se, faire former pour comprendre le dosage, comment transformer comment faire le riz. Parce qu'on peut faire le riz avec de l'eau chaude. Par contre, d'autres peuvent faire le riz en mettant de l'huile d'abord, l'huile sur le feu, mhm. le fait griller avant de mettre de l'eau chaude. donc, tout ça là, ça Ça prend Alors que tu ne pas, tu n'es pas allé à la formation, tu ne peux pas apprendre. Parlant de formation, nous avons vu que maintenant, il y a quelques écoles, j'en connais personnellement deux écoles de formation en cuisine, mais c'est quoi la finalité Parce que souvent, on rencontre ces jeunes qui ont déjà fait les écoles de cuisine, mais il n'y a pas euh, où travailler, il n'y a pas les moyens pour ouvrir un restaurant, il n'y a pas le moyen pour aller à l'extérieur, continuer une, formation mhm. supérieure. Du coup, ils sont là, ils sont laissés à eux-mêmes, c'est des petits gâteaux à la maison. Souvent, il y a certains qui finissent par abandonner. Euh, qu'est-ce que vous pensez Vous pensez qu'on devrait les embaucher dans les hôtels-là qui ouvrent ou bien qu'est-ce qu'il faut faire C'est vrai que euh, quand vous finissez la formation, le travail n'y est pas, des fois. Et il n'y a pas un fonds pour accompagner la jeunesse. Parce que si vous accompagnez la jeunesse, je peux ouvrir aussi un petit café et commencer un petit truc avant de faire cela. là. Mais il, faut, se faire former d'abord pour attendre le travail. Ne pas dire je vais attendre le travail avant d'être formé. Vous voyez. Et, au moment où ils sont finis, il faut qu'ils commencent à demander des stages dans des hôtels d'abord. C'est en matière de faire des stages et que le chef qui est là voit que ah, ces enfants sont, sont assidus, ah, ils travaillent bien. On peut leur faire des contrats. Maintenant, la formation et les stages. Les stages, c'est important. C'est important avant de commencer par démonter des dossiers. Ok. Merci bien, euh, Monsieur Roland, d'avoir répondu euh, à nos questions, à cette invitation du Niger sur Kalangu. Nous vous souhaitons une excellente journée et euh, voilà, on espère bien que tout ce que vous avez dit ici comme conseils vont servir à nos jeunes, voilà, <laughs> à nos jeunes cuisiniers. Merci à vous. merci à très bientôt. vous avoir très bientôt pour parler encore plus de cuisine, surtout locale. Surtout euh, renseignez-vous sur tout ce qu'on fait ici. Au Absolument, c'est moi de vous dire merci et merci pour la confiance et nous sommes ouverts. je suis prête à recommencer. <laughs> Super. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalango. Le Niger sur Kalango est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalango. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Samira, je crois que c'est le moment pour nous euh, d'attaquer notre rubrique hebdo. Exactement, dans la rubrique hebdomadaire justice de ce lundi, nous allons comprendre euh, euh, le référé. Qu'entend-on par référé Lorsqu'un litige exige qu'une solution au moins provisoire, soit prise dans l'urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé est prévue par la loi. Elle est confiée à un juge unique, généralement le président de la juridiction. Exactement. Alors, euh, qu'est-ce que le référé de sa procédure en passant par ses caractéristiques jusqu'aux ordonnances réceptives susceptible plutôt des voies de recours. Nous allons voir avec Maître Abdulrazak Mahazou, doctorant à l'université de Ouagadougou. Il s'est entretenu plutôt avec euh, Tarnan Foudehamed. Maître, qu'est-ce que c'est que les référés Le référé est une procédure contradictoire et qui permet de demander au juge d'ordonner rapidement des mesures dans l'attente du procès qui tranchera litige. Quelle est la procédure du référé La procédure euh, du référé est soumise tant à des conditions de forme qu'à des conditions de fond. En ce qui concerne la forme, le juge des référés est saisi par voie d'assignation. S'agissant du fond, le recours au juge des référés n'est possible que dans trois cas de figure. Premier cas de figure, s'il y a urgence, plus précisément, le juge des référés peut ordonner à référer toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l'existence d'un Il s'agit là du référé ordinaire. On comprend donc que le référé ordinaire pourra être mis en œuvre, qu'il y ait ou non un différent, une contestation sérieuse. La seule véritable condition imposée est en réalité l'urgence. Et l'appréciation de cette urgence relève du pouvoir souverain des juges du fond. Deuxième cas de figure, le président du tribunal ou le juge délégué par lui peuvent prescrire à référer les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il s'agit là du référé conservatoire ou de remise en état. En effet, le référé conservatoire n'est pas subordonné à l'urgence il suppose simplement un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent dont l'appréciation relève du pouvoir du juge. Par exemple, dans le cadre du référé conservatoire, le juge de référé pourra suspendre la diffusion d'une publication portant manifestement atteinte à la vie privée d'un individu. Troisième cas de figure, le juge des référés peut enfin, si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Il s'agit là du référé provision. Il peut également ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Dans ce cas de figure, l'urgence n'est pas requise, mais l'obligation ne doit pas être sérieusement contestable. Quelles sont les caractéristiques de l'ordonnance de référé L'ordonnance de référé comporte deux caractéristiques. D'abord, elle est exécutoire de plein droit, c'est-à-dire qu'elle peut être exécutée dès sa signification sans que les voies de recours ne puissent en suspendre l'exécution. Par ailleurs, le juge des référés a le pouvoir d'assortir son ordonnance d'une astreinte. Ensuite, l'ordonnance de référé a un caractère provisoire. De la sorte, elle n'a pas autorité de choses jugées au principal. Le juge du fond n'est pas lié par la décision obtenue en référé. Les parties peuvent donc saisir le juge du principal sans risquer de se voir opposer la fin de non-recevoir liée à la chose jugée. Est-ce que les ordonnances de référé sont susceptibles de voir des recours En principe, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans les 15 jours de sa notification au moyen d'une requête aux de défense à exécution au niveau de la Cour d'appel. En outre, eh, l'ordonnance de référé est au même titre que tous les autres jugements susceptibles de tierce opposition. Enfin, les ordonnances de référé rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Merci bien, Tarnan Samira. Un autre tour en musique avec la chanson officielle de Difangla, la fête tournante du 18 décembre qui s'est tenue euh, à Difa en 2021. Enfant d'Idriss à l'eau, Vas-y, relève-toi. sun zo muna muka yi zumunci aladunmu ne aminci shi ko gado ne za su hoto da jamba mata zo da sari yau ranar salace difa gata ta sake amfan dushe tima ganga difa la ruga ganga garantie n'a Allah. Ils ont dit que t'as sombré à cause de l'insécurité. Et eh, puis tu apparais, ouais. et tu renais ouais. dans la beauté. Ouais. Je ne vois que la joie dans la cité. Yawa, yawa habo Allah yara. Yawa habo Allah yara. Aikin da ya kaka ka yi Aikin buwa ya tai. Aikin buwa ya Sama difa ingila pati sangala ngari yayi babu sangala difa ingila Bati sangala ngari yayi babu sangala divan debune kure divan debune enfant de fan de gréma titre a été produit par Niger Wood et euh, c'était le fruit d'une grosse collaboration des jeunes artistes. Il y avait Barakina, les du Girls, Kitari et une cantatrice de la région. Perso, j'ai vraiment kiffé, je sais pas toi, Ravi. Je suis sûre que c'est également. notre rubrique Écho des régions. Restons toujours à Difa. Samira, aujourd'hui, euh, pour parler de la commercialisation du charbon. L'installation de la saison pluvieuse à Difa n'est pas sans conséquence. Certains produits, comme le charbon, sont chers. Les utilisateurs de cette énergie se plaignent du prix de vente. Du côté des associations de protection de l'environnement, le gaz est la seule solution. Plus de précision dans ce reportage de Mani Moussa. Le charbon de bois est beaucoup plus utilisé par les forgerons, les femmes au foyer ainsi que les restaurateurs privés. Tous se plaignent ces derniers temps de la hausse du prix du charbon. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation suivant Lawali Daoudabara, rotisseur en face du CEG1 qui pense qu'ils n'ont pas le choix. muna sayan shi kan naira dubu biyu da ɗari ɗaya dubu biyu da ɗari biyar amma yanzu zai kai dubu hudu da ɗari biyar tunda jiya ma na sai kafin shi na wajen buhu goma na sai a haka na sai shi idan kuɗin sun karu sosai ma a haka zan mu yi dole ne a yi tunda sana'a mu ce da ita ce muke ɗaukar ɗawainiyar rawa mu da ɗawainiyar duk dangin mu kenan dole mun yi haka na kenan su ma masu soshin daga inda suke soshin ne kuɗin yake karuwa a buskan yanayin da a can inda ake soshin busa samun shi su ma yadda suke so kamar da shine matsalar da ke da ku fata na kawai Allah kawo sauki gaba daya kowa ya samu sauki Cette charité est récurrente en saison pluvieuse où la demande en charbon est croissante. Les raisons sont évidentes, nous dit Bana, un des revendeurs de charbon au quartier Dubaï. Eh, lokacin damana, hakika ana samun farashin gawayi yana yana ƙara tsada. Ba komai bane yake kawo haka nan kin da yake akwai karancin masu aiki lokacin damana idan yayi, wasu suna bari suna tafiya aikin noma, wasu kuma suna zuwa wajen kiwo dama ba masu aiki ba bane da kwai gadan wanda suke tsaya su yi aikin gawayin sai dai wanda kaman idan aikin su ya zo da sauki kaɗan kuma ana samu ana siyo shi da rangwame an kawo sai a saida da sauki yanzu akwai karancin gawayi gaskiya ba a samu ana ɗaukar sosai daga gegi mai shi yasa wani lokaci farashin gawayi yake karuwa a nan daidai fayin da muke kin a yanzu lokacin damanan nan idan har mutum yana iya haƙura da riba kaɗan ya sayar da abu da wuri ya koma kuma ya ƙara nemo wakin ba tare da guri diya ba mutum yana iya sayar da shi dubu biyar da biyar e farashi na sari amma zuwa gabakin kuma yana iya ƙarawa idan eh, saboda wanda suka aje kaɗan a lokacin da ake samun gawayin a gegime da sauransu duk idan aka ɗauko ya ƙare kenan dole farashi yana iya ƙarawa Pour leur part, les associations de protection de l'environnement sont sceptiques aux conséquences que peut engendrer l'abattage des arbres sur l'environnement. C'est la raison pour laquelle elles demandent à l'État de vulgariser l'utilisation du gaz et à mettre fin à sa rupture. Habou Hamza, secrétaire général de l'Association des jeunes pour la protection de l'environnement, à Jup. kawai yana zaman zaman shi don ya samu gawayi kuma kashe icen nan yana ka hamada kuma yana ka dumama yanayi saboda in muka yi la'akari da yanzu gonan gonannaki ga sanan abin da aka shifka duk ya bushe eh, ra'ayi na shine e a shafa ma itacen nan lahiya a dawo aiki da gaskin nan shine kadai mahuta a cikin wannan abu saboda kashe iccen nan babban matsala ce muna gani gashi nan dai yanzu da in hadari ya taso sai dai ka iska mai daɗi amma yanzu kashe iccen nan da muka sa gaba muka maida shi wata sana'a wadda ta hudda mu shi ya kawo ga yanzu da hadari ya taso da ƙura da menene duka da ledodi akan layi kana gani za su zo duk suna kenan gwamnati ta diba ta gani mu ma muna buƙatar gas ɗin nan saboda rashin gas ɗin nan gaskiya a jihar Difa yana kan matsala da dama rashin gas ɗin nan shi yake sa mutum ya wannan wannan mutanen su je su ciro icen nan inda akwai gas wannan itacen in Allah ya da za su samu masalaha mai kyau kenan gwamnati ta diba ta yi kiranye ga wannan mutanen na su dan allah da annabi in dai abin da ya shahi fannin gaza na difa ne da allah su ba da haɗin kai a rika kawo shi yanda da ka aiki yaro ya samu magashi On peut dire que la fin de l'utilisation de charbon de bois n'est pas pour demain. Il est donc impératif de trouver d'autres alternatives comme le gaz ou le charbon minéral dont regorge notre sous-sol. Cher auditeur, on nous signale euh, Mani Moussa au bout du fil. Mani, ina kwana? Ah, ya difa kuma? To, mun ji rahoton naka yanzu abinda nake so in sani me yasa ba a samun kawo shi wannan gawayin daga gingimi? Me ke hana kawo shi? Yawa abin da yake sawa wani lokaci kaga nan difa gawayi ya ya yanke shine ma'aikatan gawayin dama ba wasu ma'aikata bane wanda aikin su yin gawayi kaɗai manoma ne da makiyaya wanda wahala ce ta sa suka mai da hankalinsu wajen yin gawayi yana mm. a irin wannan lokaci wanda ruwan damana yake sauka su jama'a da suke yin aikin gawayin sun shiga daji inda suke yin noma da kiwo da dai wasu ayyuka wanda suka jibanci aikinsu na karkara Mm. kuma wannan su ne daga cikin dalilan ko da yake wani lokaci akan samu wato wajen matsala ta motoci wanda suna kuka a kai da su da ma'aikatan hanya wani lokaci ba a gane a juna wani lokaci ma amshe gawayin waɗannan abubuwan su ne da suka haɗu suka sa wato gawayi za ka ga a nan jifa wani lokaci ya yanke kuma yanke shi sai ta sa ya yi tsada. Mm. to uh, mani mun ji abin ga kuna cewa e, mutane e, ya, nema zan yi kwatanta maka wannan tambayatawa vala cikin wannan lokacin da muke an san da akwai ruwa yanzu ruwa ya fara shigowa ga iska ga sauransu kuma datse itatuwa yana da mai ake cewa impact da yawa bisa kan rayuwar mutane da environment shin ana ga waye mutane kai bisa kan yadda ya kamata bai kamata ana datse itace ba saboda ana sa gawai da shi sai eh, kwarai kuwa ana wayewa mutane kai bangaren gwamnati akwai wato ma'aikatar jiha mai kula da yanayi cewa da direction regional ta environment tana wayewa mutane sosai kai akan su kula da itace kada su kashe su kuma ko da gawayi za a yi akwai iccen da ake iya yin gawayi da shi amma ɗanyen ice ko iccen da dama yana fuskantar barazanar bacewa kamar su gawo kamar su aduwa kamar su cediya da dai sauransu suna jan hankalin mutane da ya yi taba irin wannan itace kuma akwai kungiyoyi na matasa iri-iri su a yi e ko su wannan wanda ne hira da ita ɗazu a shif wannan su kansu suna nuna wato wannan mutane da aikinsu yin gawi cewa da wannan sana'a gaskiya ba sana'a ba ce wanda mutum zai riƙe ta kuma ya yi dogaro da ita ko da yaushe saboda an ga jihar jifa tana fuskantar ambaliyar ruwa an ga jihar jifa tana fuskantar gobara iri-iri wannan abubuwa duka ko ruwan da za ga an yi ruwa sai ga an yi wata ba ba ruwa duka wannan sakamakon wato gurɓaciya yanayi ne haka ne hmm. haka ne ma ni lokaci yana hararar mu za mu ƙara kiran ka wani gami don mu samu mu ƙara jin bayani bisa kan wannan rahoton naka mu huta lafiya a gaida mutanen difa yawa to za su yi insha Allah Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Attaquons à présent la page sport de notre édition avec notre chroniqueur sportif Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Rabi. Nous commençons cette page sport à Gnimi, Ah, spécial DIFA, hein, cette édition où a pris fin un tournoi de football dénommé Coupe du secteur 4. Oui, Rabi, 15 jours durant, 198 jeunes de 11 équipes ont mouillé les maillots au cours de ce tournoi de football. La finale a opposé l'équipe de Yantawaye contre le Real de Madrid de Difa. C'est Yantawaye qui s'impose lors des séances de tir au but. Écoutons Mohamed Tela Ibrahim, l'entraîneur de l'équipe vainqueur Yantawaye, au micro de notre correspondant de la région, Ablaimena. Mena. muna farin ciki muna murnar da samun nasara da muka yi tare da abokanan hamayyar mu wasu yan riyal Allah ya bamu nasara eh alhamdulillah muna godiya sosai muna cikin matukar farin ciki alhamdulillah wannan su ekip din farko ne wannan shine farkon tashin shi kuma shine farkon match din mu na shiga kofi eh saboda haka muka zaka kure muka dage Allah ya taimake mu kuma muka samu nasarar samun kofin na alhamdulillah gaskiya a wasa na ciki dai bamu samu sa'a ba su ma basu samu sa'ar mu ba mun samu sa'ar su ne a turwa obit kamar yadda alkalin wasa ya hura ya ce lokacin tashi ya yi kowa ya kawo mutanensa biyar biyar aka buga biyar biyar muka yi nasara haka alhamdulillah muna godiya matasa ina ƙara kira ga mutane suna zuwa suna kallon bol in an ce wasa na football wasa ne ba faɗa ba matasa da Allah kowa ya kwantar da hankalinsa in Allah ya ba mutum nasara a taya shi da murna kuma wanda Allah bai ba bashi sa'a ba an san kawai ba rashin iyawa bane ba Là, je vous propose à présent d'écouter Yakuba Ari, l'entraîneur de l'équipe perdante, qui profite aussi de qui profite aussi pour lancer un appel aux autorités de continuer à, de continuer à initier ce genre de tournoi. Eh gaskiya rabo ne Allah ya tunda bara mu ku zo da kofi bana ba wa suka te da balo ba rashin iyawa ba ne kenan sa'a ne Allah ya basu akan balo tunda kaga har zero zero muka te wajen Turobit suka kire mu a Turobit kenan Turobit kaga rabo ne wanda Allah ya ba ma zai te da shi kofin nan amma muna fata insha Allah shekara mai zuwa zamu koma da abun mu in Allah ya yarda eh, gaskiya matasa yanzu ma sun yi kokari so ke dai a kara hada kai mu yanda balo na take cin gaba so muke babu fada babu komi a ci gaba kawai haka eh, gaskiya abin da komanda yi bana Adam, parlons à présent du championnat scolaire d'Afrique d'athlétisme où plusieurs athlètes nigériens ont remporté des médailles. Eh bien oui, les athlètes nigériens ont remporté au total 8 médailles, 2 médailles d'or en saut en hauteur pour Ibrahim Al-Hassan de l'IAM et Fessal Traoré Trois médailles d'argent pour Mohamed Tassiou sur 100 mètres, Sanushi Asuman aux 800 mètres et Amsatou Burema aux 200 mètres. Au lanceur de poids, Leila Yahya et Shamsuddin Moussa ont remporté la médaille de bronze et une autre médaille de bronze en javelot pour Leila Yahya. C'est la fin de cette chronique. À bientôt pour un autre numéro. Merci beaucoup Adam. Après le sport, allons découvrir notre star du jour dans la rubrique Portrait. Oui, Samira, le portrait de ce lundi 24 juillet nous est proposé par Farid Bouraima. Il est allé à la rencontre d'une jeune fille passionnée d'informatique et de dessin animé manga. Âgée de 23 ans, Malika Tamponé Issa est également coordinatrice de programme Tous à la Fada. Aïe, pas tous à la fada, je veux dire plutôt la fada des filles ou la fada ma <laughs> Elle, elle nous parle aussi de son engagement pour ce travail. Je me présente au nom de Tamponé Issa Malika. Je suis étudiante en informatique. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Étant une otaku, j'aime beaucoup lire. Je peux passer des heures en train de lire. Et j'aime aussi développer des applications et travailler en musique. Pourquoi travaillez-vous à la FADA des filles Mon rôle dans la FADA, c'est plus être la coordinatrice de la FADA. Au Niger, vous savez que traditionnellement, la FADA est un espace qui est réservé aux hommes. Ils s'y réunissent autour du thé pour discuter des actions à mener au sein de leur communauté. Mais la Fada des filles, elle, c'est, elle est née de la reconnaissance de plusieurs jeunes filles et de la nécessité de s'approprier les espaces de parole, de prise de décision et de solidarité. De tout cela pour améliorer les conditions de vie des femmes. Donc, nous faisons principalement de la sensibilisation par nos pères et nous avons plusieurs initiatives que nous mettons en marche, comme les sœurs aînées c'est-à-dire que nous, filles de la Fada des filles, nous partons vers les plus jeunes pour les aider. Avez-vous rencontré des difficultés Lorsque je me suis engagée dans la FADA des filles, les gens ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça. Ils disaient que j'allais à l'encontre de la société, des valeurs, carrément de la religion. Or, ce n'est pas ça. Nous travaillons toujours dans le respect de la religion. Et par rapport à l'école, c'était un peu compliqué d'accéder, les deux, travail et Fada. Mais quand même, Dieu merci, j'ai pu y arriver. Avez-vous un message pour les jeunes filles du Niger Osez assumer. Et surtout, ne laissez pas la société vous réprimer. Soyez ambitieuse. Lorsque vous êtes victime d'agression ou d'injustice, osez dénoncer votre agresseur parce que cela vous fera un plus grand bien et surtout, revendiquez vos droits. auditeurs, euh, let's go pour euh, notre dernière balade musicale de ce matin. Rabi, tu nous proposes quoi dans ce mirage, nos recherches nous ont conduit à ce titre Kanuri Hip Hop, une collaboration entre le groupe de rap The Boy DS et Damazak Babawa. Yeah! Hip Hop, Kanuri Hip Hop, yeah! Let's get it, Ha ha ha, what's So boy, yeah! Uh huh, yeah! when do so in cannot hip hop bar sign when he comes in talk talk baby hey arale arale arale arale kai kai kwalele zina kwale kumecho zina josu when do so hangele resign roku rapo numa yeah walai kwalele zide kwale walai kumele zide kume pero ni jirakuna aka jirakuna Lopi na unina. Yeah. Wallahi wuro yiduma. Direct. Adina gado kai. Kai. Nyanje rakna. Wallahi. Pero ni fande ulene. Lene. Mama ya liwane. Liwane. Liwane. Liwane. Lerza Woo. Adina gado wendo so. Kaya. Rokura wada lezain. Kaya. Bati ai rokura divati. Nyachi diros again. Direct. Adi weno nimi ya. Bati. todo wai noni miya nozi sef dola dole jirin talau kasula na ma kaya ina son hip hop jado gwara ulama yi bati kolesha ai lecha zu gabi kawai yamana asu ne gai ina son hip hop jado <laughs> kolesha rokura da ma'aula da ro asurin ai ne wallahi an gal ginane dinawo dina ayma wallahi adi ande goyna lambonde ma ba kai <laughs> lambonde ba nan gado indiyo sun sakina sakina wallahi sun sakina jire adi gado lambonde de maba. pero ni arele ne we tada ni arele ne we sawa ni arele ne arede arele ne kai wai ni aima eh? aula indio sedimin sedimin ai kule dinadin dina dina kuli kuye de de kasin euro jago kolum euro leyam ku kanam bari kama kama sherde waja ni rosa dude ade do wani mia On espère bien que vous l'avez bien kiffé ce son Kanuri Hip Hop, un son qu'on dédie à toute la jeunesse de DIFA qui nous écoute sur cette émission. C'est quelque chose, hein, Kanuri Hip <laughs> En tout cas, j'ai jamais écouté ça, c'était pas aujourd'hui. Voilà, découverte hein, sur le Niger, sur le Kalangu. Ouais. Voilà, voyons à présent ce que les femmes du studio Kalangu nous ont préparé comme loti aujourd'hui. Exactement. Euh, annoncer le nom des nouveau-nés avant le baptême peut être mal vu selon certaines traditions, Rabbi. Cela est aussi attribué à tort à la religion musulmane pratiquée par la plus grande partie de la population nigérienne. Le loti d'aujourd'hui nous éclaire un peu plus sur le sujet. Écoutons Zainab Abdou et Rekia Harimi. Affairage, affairage, affairage, affairage. il y a quelqu'un ici Wa assalam, ma chérie rentre. Oui, oui, oui, il fait vraiment chaud aujourd'hui. Comment tu vas ma copine hmm. Tu ne sais même pas. Je vais bien, Dieu merci. Dis-moi, d'où viens-tu sous ces chauds soleils Je viens de chez mon amie Léla. Elle a accouché hier, donc je suis allée la féliciter. Ah, quelle bonne nouvelle Mais toi aussi. Ce n'est pas une raison pour circuler sous ces chauds soleils. Là, tu as parfaitement raison. Mais bon, c'est la seule journée que j'ai de libre, donc j'en ai profité. Ah, je vois maintenant. Sinon, tu as quelle nouvelle pour moi Ma belle, je n'ai aucune nouvelle. Mais tu sais quoi hmm, Dis-moi, ma chérie. Moi, je ne comprends plus la nouvelle génération. C'est-à-dire, explique-toi, afin que je puisse comprendre. Tu vois, avant, quand nous étions enfants, c'est seulement le jour du baptême que l'on commence à appeler le bébé par son nom et le baptême se faisait juste sept jours après l'accouchement. Alors que de nos jours, c'est dès la naissance qu'on commence à appeler l'enfant par son nom et on assiste au fait que les gens repoussent les baptêmes. Ah, et tu trouves cela bizarre Bien sûr. À mon avis, les gens devraient suivre nos traditions, nos coutumes et notre religion. Ah, là tu te trompes. Tu confonds religion et coutume. Je n'ai pas compris. Ce n'est pas la religion qui interdit de dire le nom de l'enfant jusqu'au jour du baptême et de respecter la date du baptême. Non, justement. C'est pourquoi je t'ai dit que vous avez tendance à confondre religion, coutume et tradition. Tu sais, rien qu'avant-hier, j'ai eu cette discussion avec un ouléma. Ah bon Explique-moi alors. Dans la religion islamique, on peut appeler un enfant par son nom dès la naissance. Et on peut aussi reporter la date du baptême. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa de faire le baptême le septième jour après la naissance. Et il n'existe aucun verset ou hadith qui interdit de repousser la date du baptême. Parfois, il peut avoir qu'une personne manque de moyens pour acheter le mouton et tu sais qu'il est dit dans le Coran que Dieu n'impose à aucune âme une charge qu'elle ne peut supporter. Donc, on peut repousser le baptême jusqu'à ce qu'il trouve l'argent du mouton du sacrifice. Ah, je comprends mieux. Donc depuis tout ce temps, nous faisions une énorme confusion. Voilà. Tu sais, avant l'avènement de l'islam, nous avions des coutumes et des traditions. Et depuis lors, il nous arrive de faire l'amalgame, d'où l'importance de chercher à comprendre et faire la différence. Tu vois, si j'étais resté à la maison aujourd'hui, je n'aurais pas appris tout cela. D'où l'importance de circuler en ville. <laughs> je te remercie vraiment de m'avoir édifié sur ce sujet. Je t'en prie, ma belle. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour toi. Bon, il se fait tard. Je vais demander la route. D'accord, ma chérie. Je t'accompagne alors. passons à présent à la rubrique culture linguistique et ça avec Jackie Dalton. Exactement comme d'habitude, chaque lundi, nous sommes avec euh, Jackie. Aujourd'hui, nous allons voir comment dire je ne comprends pas en anglais quand l'autre s'exprime. Hello Jackie. Hello, good morning. Today we're going to talk about greetings in English. Aujourd'hui, nous allons parler des salutations en anglais. Savez-vous quand s'utilisent ces trois expressions good morning, good afternoon, good evening. Alors, good morning, ça s'utilise avant midi. C'est pour dire bonjour avant midi. Good morning. Good afternoon, c'est une façon de dire bonjour l'après-midi. Good afternoon. Donc ça s'utilise à peu près entre midi et 17 heures. Ensuite, good evening, ça veut dire bonsoir. En général, ça s'utilise après environ 17h, 18 heures. Good evening. Donc, pour récapituler, good morning, good afternoon, good evening. Et ensuite, pour simplifier les choses, il y a deux salutations qui s'utilisent en tout temps, matin, midi, soir, nuit. Le premier, c'est bien sûr hello, hello. Et puis, on peut aussi dire hi, hi. Ça s'utilise plus dans des situations informelles ou avec des amis. Hi, hello et hi. Enfin, savez-vous comment dire au revoir bah, c'est goodbye. Goodbye. Et maintenant, un petit quiz pour voir si vous avez retenu ces phrases. Alors, première question. À quel moment dit-on good afternoon Alors, good afternoon, c'est pour l'après-midi. Comment dire bonsoir en anglais Good evening. Et le matin, quelle salutation peut-on utiliser Good morning. Et pour saluer en tout moment, c'est hello. Et saluer de façon moins formelle, c'est quoi Eh oui, c'est hi. Et au revoir, ça se dit comment Goodbye. Goodbye. Good morning. Good afternoon. Good evening. Hello. Hi. Goodbye. Those were today's English words. Goodbye. Avec Jackie, nous sommes plutôt allés sur les salutations pour ce qui est de la manière de dire je ne comprends pas en anglais quand l'autre s'exprime. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Chers auditeurs, merci encore de l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages. Écoutons quelques-uns. gaskiya labarin studio kalangu muna jin shuraren su muke so da su ya kamata a ce a ƙara mai lokaci na wanda al'umma za su jin daɗin shuraren shi saboda labaru wanda ba mu da samun su wani bangaren muna samun su a bisa kan studio kalangu to ni dai suna na haruna lawal san studio kalangu duk information da muka saurara a tace yake emission wanda ta burge ni sosai na ga ana an france kuma amma mutan ai traduire a hausa assalamu alaikum ni dai suna na shafa'i a gaskiya muna saurara studio kalangu da kyau kuma shirye-shiryen su gaskiya yana birge mu yana da kyau muna jin su wani daɗi ra'ayina an so na za samu a ƙara mashi lokaci saboda kamar lokacin da mu muke ji kamar ya mashi kaɗan a ƙara ma shiryen wannan lokaci nasu saboda muna jin daɗin shirin wannan nasu da suke yi assalamu alaikum na ibrahim iliya malamin makaranta ne da nake sarba e gaskiya labarin studio kalangu muna sauran shiga radio tarmamuwa ta sawa kuma suna ɗakarwa suna kai sako lugu da lugu N'hésitez pas à nous envoyer vos messages au 82 89 89 64. Samira, point final de cette édition du lundi 24 juillet 2023. On se dit à demain avec un nouveau duo, bien sûr. Vous étiez en compagnie de Rabia Mekano et Samira Rafi. En tout cas, Rabi, je voulais te dire un grand merci dans cette émission en ligne et que tout le monde écoute. Merci pour cette euh, musique que tu as choisie. Les musiques étaient parfaites. J'ai trop kiffé. L'édition a été assurée par Adama Dawaki et la technique par euh, Seini Isaka. On se dit euh, un très bon après-midi. À bientôt.